chers auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue au forum de Studio Kalangu de ce soir, votre rendez-vous quotidien d'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, nous parlerons de comment améliorer la disponibilité des produits sanguins au Niger. Le don de sang constitue en effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'un des gestes les plus simples pour sauver des vies. Selon l'OMS, euh, l'Organisation mondiale de la santé, si 1 à 2 de la population totale d'un pays donne du sang, cela aurait été suffisant pour euh, assurer l'autosuffisance en produits sanguins. Malheureusement, le Niger est encore loin de cet objectif, a déploré le ministre de la Santé publique à l'occasion de la célébration de la 19e édition de la Journée mondiale du donneur de sang célébrée le 14 juin dernier sous le thème Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauver des vies. Selon Dr. Ilia Suidi en 2021, sur 241 euh, 128 dons attendus, représentant 1% de la population nigérienne, 179 079 ont été réalisés, soit seulement 74%. Parmi ces dons réalisés, seuls 28% ont été prélevés auprès de donneurs volontaires, a-t-il rajouté quels sont les obstacles aux dons de sang au Niger, comment améliorer la mobilisation autour de la pratique du don de sang au Niger. Pour euh, en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité ce soir Dr Fatih Hassan, elle est médecin généraliste euh, au Centre régional de transfusion sanguine CRTS Niamey. Notre deuxième euh, invité est M. Moussli. Il est technicien biologiste. Il représente euh, à ce forum l'association des donneurs euh, bénévoles de sang du Niger. Et enfin, Madame Hamani Mariama, communicatrice au Centre national de transfusion sanguine. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue dans ce forum de Studio Kalangu portant sur le thème comment améliorer la disponibilité des produits sanguins au Niger. Rappelons qu'il n'existe pas encore à ce jour de produits qui soient en mesure de remplacer le sang dans le fonctionnement du corps humain d'où cette euh, importance du don de sang pour couvrir les besoins à chaque fois que les circonstances euh, l'exigent. Alors, euh, docteur euh, Fatih Hassan, médecin, d'abord, c'est quoi le sang et de quoi est-il euh, composé Le sang, c'est un liquide rouge biologique qui circule dans les artères et les veines sous l'impulsion du cœur. Mhm. Il est composé des globules rouges, globules blancs et les plaquettes. Mhm. Globules rouges, globules blancs. Et les plaquettes. Et les plaquettes. Et quelles sont les situations où il est nécessaire de faire une transfusion sanguine à un patient chez les drépanocytaires, mhm. en cas d'anémie, chez les femmes enceintes, les accidents de la circulation, les hémodialysés mhm. et les personnes qui subissent une chimiothérapie, par mhm. exemple les cancéreux et les drépanocytaires. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Moussali, technicien biologiste, membre de l'association des donneurs bénévoles de sang. Je rappelle que vous étiez également un ancien euh, fonctionnaire euh, du Centre national de transfusion sanguine où vous aviez en charge euh, la promotion du don de sang justement. Alors, comment se fait le don de sang Donc, avant de dire, de vous dire comment se font le don, je vais un peu ajouter par rapport à ce que docteur Fatih a dit. Mhm. par rapport à, ah. l'importance même du sang dans l'organisme Le sang, le sang d'abord, comme elle l'a dit, c'est un liquide fluide rouge mhm. vif qui est fabriqué par la moelle osseuse. Mhm. Vous comprenez Et l'organisme, c'est un équilibre constant, mhm. permanent. Mhm. Et le sang, c'est un, euh, un, élément euh, nutritif pour l'organisme. Étant composé de différents éléments qu'elle a, que la cités, notamment les globules, rouges, les, globules, blancs, et le plasma. Donc chaque élément a un rôle bien déterminé pour l'organisme. Et comme je disais que l'organisme, c'est un équilibre. Donc l'insuffisance ou la hausse d'un de ces éléments entraîne un déséquilibre. Mhm. Donc vous voyez tous ces éléments-là, mhm. aussi bien les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le plasma, peuvent être administrés à euh, un patient en fonction de ses besoins. Mhm. Donc là, c'est le médecin traitant. Donc c'est lui qui a euh, visité ou du moins qui a, qui a son malade et qui juge, voilà, mon malade, il a besoin de toi, de ça, de ça et de ça. Donc voilà, en fonction de l'administration. Mhm. Maintenant, par rapport au don de sang. Donc le don de sang, c'est vraiment un acte que tout un chacun doit faire pour sauver des vies. Mhm. Et le don de sang se fait comment Il y a ce qu'on appelle des collectes mobiles et des collectes fixes. Mhm. Il y a d'abord ce qu'on appelle les critères de don de sang. Qui et qui peuvent donner du sang Pour donner du sang, il faut être d'abord en parfaite santé. Et je précise que être en parfaite santé, il y a un médecin ou un spécialiste qui va consulter. Parce que la majorité des gens pensent que dès que vous venez, on va vous prélever le sang. Non, non, il y a une consultation qu'on fait d'abord. Mhm. En fonction des réponses, on peut vous dire, OK, vraiment, c'est bon, vous pouvez donner, ça ne vous fera aucun tort. Mhm. La consultation, elle est faite euh, sur place Sur place. Au niveau du centre de transfusion sanguine. Si en combien de temps bon, vous savez, c'est des questionnaires. Mhm. Et ça dépend. Il y en a qui posent des questions, il y en a qui prennent du temps pour répondre, donc euh, à peu près une dizaine de minutes tout au plus. Mhm. Donc en fonction des réponses, euh, le spécialiste ou le médecin peut vous dire, OK, vous pouvez donner du sang, mhm. ou bien non, vraiment, c'est pas bon pour vous, ou bien le, le malade. Sous réserve d'une analyse du sang qui sera prélevée Sous réserve d'une analyse, parce que quel que soit le sang prélevé, il y a des analyses. Et la personne même qui donne du sang, elle doit être vraiment consultée mmh. pour voir si le don de sang ne va pas lui faire du tort. Mmh. Vous comprenez Parce qu'en matière de don de sang, c'est la sécurité du donneur d'abord, après celle du receveur. Mmh. Donc euh, les critères de don de sang, si tout ça est respecté, à ce moment-là, on peut ça. Donc être en bonne santé, ne pas être à jeun, ne pas être à jeun, ça veut dire qu'il faut, manger. un petit quelque chose. Donc, euh, avoir entre 18 et 60 ans, mhm. pour celui qui n'a jamais donné, c'est-à-dire jusqu'à 100 ans, la personne peut donner. Mhm. Mais quelqu'un qui a l'habitude de donner jusqu'à 65 ans, elle peut donner. Mhm. Donc pour les femmes ou les filles, ne pas être euh, indisposées, ne pas, être, ne pas allaiter. Et la fréquence, un homme tous les trois mois peut donner et une femme tous les quatre mois. C'est-à-dire mhm. qu'un homme peut donner quatre fois dans l'année et une femme trois fois dans l'année. Mhm. Mais quand vous donnez le sang, avant de le transfuser, comme on le disait tout à l'heure, il y a des examens. Mhm. Donc si tout est bon, en ce moment-là, on transfuse le sang et vous, on vous donne votre résultat une semaine après. Et c'est gratuit. Et le sang, vraiment, c'est gratuit. Ce n'est pas vendu, ce <laughs> on n'achète pas, on ne vend pas. Voilà. Et quelle est la quantité de sang prélevé par donneur La quantité, c'est en fonction du poids de la personne. Mhm. Mais selon les normes de l'OMS, par exemple, une personne qui a 50 <coughs> kilos on peut le prélever 400. Donc c'est par 8 ml par kilogramme de poids. Mhm. Cependant, compte tenu de notre contexte, c'est-à-dire nous, on a choisi un barème, c'est-à-dire entre 50 et 59, 250 millilitres mmh. et 60 et plus 450 millilitres. Mmh. Mais donner son sang, est-ce que ça a un impact euh, sur euh, la santé Donner son sang, ça ne fera que du bien à la personne. Parce que mmh. tout simplement, comme je vous l'ai dit au, tout début, c'est la moelle osseuse qui fabrique le sang. Et dès qu'elle fabrique, même si vous donnez votre sang, automatiquement elle remplace si elle fonctionne bien. Et raison pour laquelle je vous ai dit qu'avant de prélever, on fait une consultation d'abord. Si le médecin ou le, euh, le, spécialiste qui consulte juge que vraiment votre organisme est apte à donner, il n'y a aucun problème. Automatiquement, l'organisme remplace. Mhm. Et l'un des avantages, c'est quoi D'abord, vous sauvez des vies. Mhm. Secondo, quand vous avez l'habitude de donner du sang, on ne le souhaite pas, mais en cas d'accident où il y a une hémorragie, où il y a une perte de sang au cours d'un accouchement, vous voyez, l'organisme a l'habitude de perdre et de remplacer. Mhm. automatiquement il remplace. Par rapport à celui qui n'a pas l'habitude de donner, l'organisme veut peut prendre un certain temps avant de savoir ah, comment est-ce qu'il faut faire pour remplacer cette quantité perdue. Et la personne peut être trépasser quelques minutes. Ça veut dire que médicalement, c'est bénéfique pour la santé. C'est vraiment Parce qu'en cas d'hémorragie, l'organisme sait déjà, en cas de perte, comment remplacer. Quelqu'un qui donne du sang, son organisme supporte beaucoup plus les hémorragies ou la perte de sang par rapport à quelqu'un qui n'a pas mhm. l'habitude. Et il y a aussi les résultats. Mais il y en a qui disent qu'ils ne sont pas gros et que. Est-ce que ça a un impact euh, Par exemple, une personne mince, euh, est-ce qu'elle peut donner du sang Non, vous savez, c'est pas ça. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il il faut avoir au moins 50 kilos. Mhm. Donc, une fois que vous faites les 50 kilos, on le reste, ce c'est pas important. Oui. Mhm. C'est-à-dire, c'est la quantité, c'est en fonction du poids. Parce que le sang, même en tant que tel, la quantité dans l'organisme, c'est un treizième du poids, à peu mhm. près. À peu près. Voilà. Donc, vous voyez. Et là, on ne peut pas vous enlever au-delà de un dixième de cette quantité-là. Mhm. Un dixième, donc, euh, de, ces un treizième. Voilà, <laughs> c'est compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Madame Hamani Magama, communicatrice euh, au Centre national de transfusion sanguine, est-ce que vous pensez que les populations nigériennes, partout où elles se trouvent, sont suffisamment informées par rapport à cette importance euh, du don de sang Merci Michel. Mhm. La population nigérienne n'est pas assez informée mhm. sur le don de sang. On est en train de, mener beaucoup d'activités pour que la population soit informée, mhm. mais il y a certains aléas qui empêchent que toute la population ait des informations sur le don de sang. D'abord, nous savons que notre population elle est la majorité de la population est analphabète mhm. et la majorité vit en milieu rural et il y a beaucoup de réticences aussi. Les gens, à cause de ce manque d'informations-là, ils sont réticents. Mhm. Maintenant, il y a certains qui disent qu'ils pas, ils ne sont pas assez gros pour donner du sang. Quand on leur enlève du sang là, ça peut les rendre malades. quand on n'est pas informé, on ne peut pas savoir si on est apte à donner ou pas. Mhm. Donc, euh, l'une des raisons, vous dites, euh, c'est parce que nous avons un taux d'alphabétisation qui est relativement faible. Je rappelle que le taux d'alphabétisation en 2019 était de 30%. Mmh. Également, nous avons des populations rurales, donc à hauteur de 80%, selon l'INS, c'était en 2018. Et face à tout cela, vous faites donc des efforts pour sensibiliser, c'est cela. Oui. Et comment la population accueille euh, ces actions que vous faites Nos actions sont menées au niveau national. Mhm. Donc, il y a euh, une coordination. Le centre national ne se déplace pas pour aller dans les zones rurales. Mhm. Comme les, il a des représentations dans les régions, c'est les régions les centres régionaux, régionaux de transfusion, sanguine, qui, qui organisent les sensibilisations, chacun à son niveau. Est-ce que chacune des sept autres régions du pays en dispose en dehors de la capitale En dehors de ces seulement qui ne dispose pas de centre régional. Mhm. Donc quand nous menons nos actions nous, au niveau national, on prend Tilabéry en compte. Mhm. Et on essaie quand même de... Ça veut dire que vous envoyez des équipes à, des équipes à Tilabéry. qui est jusqu'à 117 km de Niamey. Oui, pour faire des. Et la région de Tilaberi est très vaste. Toutes les zones de Walam, Filengue, Kolo, on hmm. les met dans Tilaberi. Voilà, donc le hmm. CRTS de Niamey organise des collectes à mhm. ces niveaux. On a l'habitude d'aller jusqu'à Walam, mhm. Tilaberi, Kolo, mhm. Amdelay, tout ça là pour faire des collectes. Et quand on fait les collectes, on, prend une partie pour satisfaire les besoins de Niamey qui a plus de te demandent que mhm. l'intérieur et on leur reste, laisse une partie. Mhm. Parce que nous avons les centres hospitaliers de référence euh, nationale. Voilà. En cas d'accouchement, par exemple, les femmes, on les, amène à Niamey. Mhm. Les complications, même pour la drépanocytose, euh, très souvent, c'est Niamey qui prend en charge euh, tout cela. Merci donc pour l'éclairage que vous donnez. Docteur Fatih Hassan, médecin, au centre régional euh, de transfusion sanguine euh, de Niamey. En dehors de ce qui a été dit, est-ce que, en précision, on peut dire qu'il y a des dispositions à prendre avant de donner du sang Avant de donner, il faut que la personne mange d'abord. Mm-hmm. Bien manger. Bien manger et boire. Il faut que la personne se repose d'abord la personne doit se reposer mm-hmm. environ combien de minutes C'est-à-dire, on n'a pas à se précipiter, dire je viens donner du sang au CNTS pour ensuite vaquer à mes occupations, c'est ça Non, non. Mhm. Et après Et après, il faut mhm. se reposer, pas d'activité physique. Pendant combien de temps environ 48 heures. Mhm. Donc pendant 48 heures. Et vous donnez à manger aux donneurs, c'est ça Oui, il y a la collation après. Il y a une collation. Merci beaucoup. Et docteur Fatih Hassan, quels sont les différents types euh, de groupes sanguins qui existent euh, Puisque c'est de cela qu'il s'agit, vous avez expliqué l'importance euh, du don de sang, vous et monsieur Mousseli, qui est technicien biologiste. Donc, quand il y a des complications au niveau de l'enfantement, au niveau des drépanocytaires, au niveau des personnes malades, du VIH, au niveau des personnes malades du paludisme. Il y a beaucoup de cas, et même pour les accidents, il y a des hémorragies. Le médecin constate qu'il y a un problème de sang. On fait appel au centre régional de transfusion sanguine si c'est en région et au centre national euh, de transfusion sanguine si c'est au niveau de Niamey. Mais comment vous, vous prenez en compte tout cela Il faut dire qu'il y a euh, plusieurs types euh, de groupes sanguins qui existent. C'est lesquels Il y a quatre groupes. Il y a quatre groupes, voilà. Il y a le groupe O. Le groupe O. A. A. A. B et AB. Et AB. C'est les quatre. Mhm. Donc nous avons quatre groupes sanguins. C'est le groupe O, A, B, et, AB. Il y a aussi un facteur qui est le système résiste. On dit par exemple A, euh, A-, B, B-. Merci beaucoup. Alors, euh, Monsieur Moussali, elle a expliqué que nous avons quatre groupes sanguins. Il s'agit du groupe O, mm. A, du groupe B et du groupe euh, AB. Voilà. Donc, en fait, pourquoi c'est déterminé, euh, pourquoi ces groupes, il y a aussi l'aspect euh, euh qui est euh, expliqué sur la base du système ABO de Karl Landsteiner et du système Résus. Expliquez-nous comment ça se passe, les déterminations de ces groupes et le Résus également. Voilà, je, profite pour faire une petite historique. Mhm de la transfusion. Mhm. C'est-à-dire au début, on prenait le sang des animaux qu'on transfusait aux êtres humains. Donc, ça ne marchait pas. Mhm. Et là, on s'est posé la question pourquoi C'est dit, bon, donc, ce qu'on va faire. Donc, il y avait beaucoup de décès. Il y avait beaucoup de décès. Mhm. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre le sang des personnes pour transfuser aux personnes. Mhm. Là, on s'est rendu compte qu'il ah, y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Mhm. Et c'est en ce moment-là qu'on a découvert le groupe sanguin, comme elle l'a dit. Et après, on s'est rendu compte que vous pouvez être du même groupe, mhm. mais il y a des moments où quand vous transfuse du sang d'une personne de même groupe, ça ne marche pas non plus. Et ça, c'est la découverte du facteur Résus. Parce qu'une personne qui a le système Résus, donc Résus positif, il y a le registre positif et le résus négatif. Il y a par exemple A plus et A moins. À chaque groupe sanguin, il y a le plus et le moins. <laughs> peut avoir le plus ou le moins. Mhm. On peut avoir A plus ou A moins, B plus ou B AB plus ou AB, ou bien O moins ou O plus. Mhm. Donc, le plus, ça veut dire la présence du facteur résus de mhm. l'anticorps. Le moins, c'est l'absence. Ce qui fait que moi, j'en ai pas vous me transfusez euh, un sang qui en a, ça va me créer des problèmes. Mhm. Alors que vous. Donc si vous êtes à moins, il vous faut un sang à moins. moins. L'idéal, c'est ça. C'est moins. Parce que si quelqu'un a du plus, on vous donne le plus. C'est le plus là qui crée les problèmes. C'est ça. Donc quand il y a le plus, il faut l'éviter. Voilà. Ou le donner à quelqu'un qui a déjà le plus. C'est-à-dire, en règle générale, mhm. le donneur négatif donne au négatif et au positif. Mhm. Par contre, lui, le positif... Ça veut dire quelqu'un qui a moins peut donner à un à plus, ça ne cause pas de problème. Mais c'est le plus qui ne donne pas qui ne donne pas au moins. Mhm. Qui ne doit pas du moins se donner au moins. Mhm. Donc voilà comment ça, ça se passe. Donc même dans des cas de force majeure, ça ne se fait pas, c'est ça Dans des cas de force majeure. Parce que en fait, ça c'est le médecin. Je vous ai dit que c'est le médecin qui est vraiment habilité à dire moi je veux ça, je veux ça. Mhm. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'immunisation. Mhm. Si le médecin, par exemple, il, n'a pas, il a un A moins, son malade est A moins, et qu'il n'a pas de A moins. Et s'il ne transfuse pas, s'il risque de perdre le malade, il peut. Mhm. Mais là, c'est une responsabilité vraiment. Parce que là, après, il y aura des anticorps anti qui vont se créer dans l'organisme. Mhm. La personne peut. C'est une autre maladie qui risque de se développer encore. Mhm. Voilà. Mais en principe, on ne doit pas transfuser un résus plus à un résus moins. Mhm. Voilà. Ce qui fait qu'on voit des membres de certaines familles dans le besoin courir à gauche, à voilà. droite. Surtout le moins. C'est les, les, les moins. C'est les moins. Et en donneur, en fait, le au moins, est c'est lui le donneur universel. Et le AB, c'est lui le receveur universel. Mhm. Voilà. Justement, c'est ça le fonctionnement du système hein. ABO. ça, ça c'est le ABO. Il y a des donneurs universels et des récepteurs universels. Des receveurs universels. Des receveurs universels. Voilà. Mhm. Donc le receveur Le universel, donneur universel, c'est le au moins. C'est le au moins. Lui, il mhm. peut donner à au, au, moins, au plus, à plus, ainsi de suite. Mhm. Et le receveur universel, c'est le AB plus. C'est le AB plus. Plus, je précise plus. Hein. Donc Parce le AB que plus. Est moins, il voilà, ne peut pas recevoir de, C'est ça. Le Voilà. Donc lui, il peut recevoir de n'importe qui. Donc le AB- reçoit de tout le monde et le O- donne à tout le monde. Le AB-, lui, il ne peut pas recevoir de AB+. plus. Mhm. C'est-à-dire que c'est le AB+, plus qui reçoit de tout le monde. Mhm. Le AB+, donc reçoit de tout le monde. Et le O- donne à tout le monde. Tout le mhm. Pour cela que le AB-, là, c'est le plus rare. Hein. Le groupe le plus rare, c'est le AB-. Le AB-. <laughs> voilà. Mm. Pourquoi c'est le groupe le plus rare Oui, c'est des statistiques. D'abord, le AB, c'est un groupe rare. Maintenant, si vous ajoutez le facteur risque, donc c'est vraiment euh, le plus rare des groupes. Mhm. Mm. Merci beaucoup, Madame la communicatrice euh, Hamane Magama. Par rapport à ces statistiques, euh, est-ce qu'il y a des pourcentages de donneurs par exemple au Niger, sur l'ensemble du pays, est-ce qu'il y a des statistiques euh, disponibles par rapport aux différents groupes sanguins O, A, B et A ⁇ Au niveau mondial, mhm. comme M. Lee l'a dit, c'est le groupe O ⁇ là qui est le, plus, le groupe le plus fréquent. Mhm. C'est lui le groupe le plus fréquent. Mhm. Et le groupe A, AB négatif, c'est le groupe le plus rare. Mhm. C'est au niveau mondial que ces statistiques euh, existent. Mhm. Et on rappelle que dans le message euh, qu'elle a livré à l'occasion de l'édition 2022 de la Journée mondiale du don de sang, la directrice régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale euh, de la santé pour l'Afrique, Machidizo Moeti, a indiqué que par rapport aux autres régions du monde, la région africaine enregistre un nombre disproportionné d'affections nécessitant un don de sang, qui touche jusqu'à 7 millions de patients chaque année. On peut citer à titre d'exemple l'hémorragie associée à l'accouchement, l'anémie sévère due au paludisme et à la malnutrition, les troubles de la moelle osseuse et les troubles sanguins héréditaires, les traumatismes et les accidents, sans oublier les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'action humaine. Fin de citation. Madame euh, Hamani magyama communicatrice euh, du Centre euh, national de transfusion sanguine, pourquoi c'est en Afrique qu'on parle beaucoup plus, selon vous, de ce problème de manque de donneurs de sang je dirais que en Afrique, les pays de l'Afrique subsaharienne, la majorité des pays là sont des pays pauvres, mhm. avec des, structures sanitaires qui n'ont pas Mhm. un grand plateau technique. Mhm. qui, n'ont pas suffisamment de moyens. Suffisamment de moyens pour mhm. prendre en charge euh, les malades. Mais des efforts quand même sont en train d'être faits. Et selon docteur Ilia Suidi Mainasara en 2021, sur 241 euh, 128 dons attendus, 1% de la population, donc on a obtenu que 179 079 dons de sang qui ont été réalisés, soit seulement 74% par rapport euh, aux besoins. pourquoi cet état de fait, Madame euh, Haman Magama, communicatrice au CNTS Je dirais que cet état de fait est dû au fait que nos populations sont des populations rurales, hum. des populations à majorité analphabètes. Donc, il faut qu'on continue à renforcer la sensibilisation, continuer à informer les, les, les, gens pour qu'ils aient le réflexe eux-mêmes de venir faire le don de sang. C'est ça qu'on appelle don volontaire. On voudrait plutôt que ce soit les, les populations elles-mêmes qui qui viennent, euh, volontairement donner, le sang. Le sang. Mhm. Et ça sera une manière que celui qui est volontaire, il peut encore expliquer à d'autres personnes mhm. pour qu'ils viennent eux aussi donner. Il faut qu'ils continuent à, qu'on continue à leur montrer l'importance du don de sang. Mhm. Que ça ne soit pas seulement au moment où la personne a un malade dans, sur un lit d'hôpital couché qu'ils viennent donner. Et il faut rappeler que le Centre national de transfusion sanguine a été créé à cet effet depuis 1999. Et comment expliquer le fait que jusqu'à ce jour, ce centre n'arrive pas à mobiliser 1% de la population nigérienne en faveur de ce geste qui sauve des vies Ça veut dire sur 100 Nigériens, un n'arrive pas à donner du sang pour couvrir euh, les besoins en termes de produits sanguins. Comment expliquer cela c'est toujours le fait que la sensibilisation, là, on doit la renforcer. Quand on prend les régions, par exemple, il y a des régions qui arrivent à satisfaire les besoins des, des malades jusqu'à 100%, 90%. Mhm. Mhm. Mais comme je vous ai expliqué, c'est à Niamey qu'on a le plus de, de problèmes. Mhm. Parce que tous les centres de référence sont à Niamey. Et c'est Niamey qui fait en sorte que les, les chiffres nationaux baissent. Parce que Niamey, des fois, euh, il n'arrive pas à gérer toutes les demandes qui, parviennent au, mm. CRTS de Niamey. Mais si à l'intérieur du pays, les gens arrivent à donner suffisamment de sang, ça veut dire que ce sont ces sangs qu'on va transporter et les amener à Niamey. Donc on n'allait pas. Je retourne mhm. la question à M. Lee. Mhm. En fait, les, besoins sont différents à l'intérieur de Niamey. Mhm. Parce qu'à Niamey, il y a tellement de formations sanitaires, de cliniques privées donc le besoin est vraiment énormissime. À Niamey, bien sûr. Mhm. Alors qu'à l'intérieur, vraiment, le besoin est, réduit par rapport à Niamey. Mhm. Parce que les cas sévères, c'est à mm. Niamey que c'est pris Ça se refait. Mais selon l'OMS, c'est que si 1 à 2 de la population arrive à donner du sang, c'est qu'on n'aura pas de problème euh, de, don de sang, d'approvisionnement. Mais comment expliquer que jusqu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à avoir 1 de la population nigérienne qui donne euh, du sang, qui est donneur euh, bénévole, parce que selon le ministre en charge de la Santé, nous n'avons eu que 74% de cette proportion qui est demandée. Et il faut dire que pour avoir même euh, cette petite disponibilité, souvent il faut faire recours à des cousins, des oncles. Et comme Madame Hamani l'a dit, en fait, d'abord c'est la sensibilisation. Mhm. Parce que les, les gens sont vraiment la majorité analphabète. Il y a les moyens. Hmm. Vous comprenez Les moyens, c'est-à-dire Les moyens, c'est-à-dire qu'il faut mettre pour un centre hmm. de transfusion. Si vous devez vous déplacer, par exemple, faire 10 km pour venir volontairement donner, vous comprenez ce que je veux dire hmm. par là. Oui. Alors que si vous avez d'autres coins où vous n'avez pas vraiment parcouru une très grande distance, là, vous voyez, c'est la proximité, quoi, je veux dire. Mhm. Et les moyens, je veux parler de la sensibilisation. Parce que là aussi, là présentement, ça commence à, venir avec les moyens qui ont été mis à la disposition. Mhm. Parce que vous avez des caravanes où on peut sortir, aller collecter du sang ailleurs, ainsi de suite. Donc là, ça commence à... Mais seulement, ça va prendre, ça prend du temps, ce n'est pas dans l'immédiat. Mhm. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas informés, qui, ou du moins qui ne savaient même pas que moi, comme ça, je peux me lever un beau jour, aller volontairement donner. Il y en a qui pensaient que ah, il faut attendre qu'un parent ait besoin de sang pour aller donner. Mhm. Il y en a aussi qui pensent que ah, quand je viens, je donne, on va prélever tout mon sang et là, je vais mourir. Donc tout ça, c'est la sensibilisation. Mhm. Et ça prend un peu de temps. Donc on peut dire que les gens ne sont pas suffisamment, sensibilisés. Merci beaucoup, docteur Fatih Hassan, médecin généraliste. Quelle est l'importance de cette journée mondiale dédiée aux donneurs de sang ayant pour thème cette année Donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauver des vies. L'important, c'est pour pouvoir sauver des vies humaines. Mhm. Parce qu'un seul <coughs> don peut sauver jusqu'à quatre vies humaines. Mhm. Un seul don peut sauver jusqu'à quatre personnes. Dans... vies humaines. Mhm. Quel est le message donc que vous lancez à la population, docteur Fatih Hassan, pour que chaque citoyen se sente concerné par ce don de sang c'est qu'il ait du courage pour venir faire ce geste qui est noble et pour pouvoir sauver des vies. Par exemple, si la personne donne son sang, il peut avoir une diminution de son poids. Mhm. Il y a la prévention de certaines... C'est une euh, méthode efficace de lutte contre l'obésité, si on vous comprend bien. Oui, c'est pour pouvoir réduire le poids et connaissent mhm. connaître son statut sérologique. Mhm. Ça veut dire qu'on donne euh, le sang, c'est comme si la personne fait un examen par rapport à, son sang vous lui, dites s'il est, par exemple, porteur du VIH, c'est ça Parce que c'est ça le statut sérologique. Il y a l'hépatite aussi. Il y a l'hépatite. Il peut connaître son groupage. Mhm. son groupe. C'est-à-dire le groupe sanguin qu'il porte. Sanguin, mhm. Et les infections, les IST, mhm. tout ça. Ça veut dire le don de sang donne beaucoup d'avantages à ce niveau parce qu'on a une idée exacte euh, de son sang, dans quel état il est, c'est ça Oui. Est-ce que vous sensibilisez la personne sur la nécessité de revenir à... En venant prendre ce résultat, si le résultat est bon, on dit à la personne il peut revenir chaque trois mois pour donner. Si c'est une femme, c'est chaque... Quatre mois. Quatre mois. C'est en fonction du résultat. <laughs> Donc c'est une sensibilisation sur place que vous faites euh, au niveau donc, euh, des centres euh, régionaux de transfusion sanguine. Monsieur Lee, ancien responsable de la promotion du don de sang au Centre national de transfusion sanguine, membre de l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger. Expliquez-nous aujourd'hui quels sont les grands obstacles au don de sang au Niger. Et la raison principale, c'est que la majorité des gens pensent que le sang est vendu. Mhm. Alors que si vous connaissez le CRTS ou le SENTES, vous voyez là-bas, on ne transfuse pas de malades. Prélever le sang. Voilà, le sang est ne prélevé. pas en fait de il la est traité et il est mis à la disposition de toute formation sanitaire. Mhm. Ce sont les formations sanitaires donc, qui, font la demande au centre. Voilà, donc vous mhm. voyez, donc c'est ce qu'il faut aussi maîtriser. Mhm. Deuxièmement. Mais la demande, ça se fait comment Est-ce que ces formations sanitaires euh, vous donnent quelque chose ou donnent quelque chose C'est gratuit. Comme je l'ai dit au tout début, le mhm. sang, on ne vend pas, on mhm. n'achète pas. Donc tout est gratuit. Mhm. Et il faut que souvent les, gens aient cette information. Parce que la majorité n'ont pas cette information, que le sang est gratuit. Et quand, par exemple, je prends l'exemple, euh, un exemple banal, par exemple, l'hôpital national a besoin de sang. Mhm. Donc l'hôpital envoie un commissionnaire avec le bon de sang, tous les papiers et l'échantillon. Mhm. Si le centre en dispose, le centre sert et puis on écrit le nom de celui qui prend et la personne. Point final. Mhm. Vous comprenez Donc il n'y a pas de contact direct entre le malade et puis le centre. On ne vient jamais au centre pour demander de recevoir du sang, c'est ça En fait, comme je vous ai parlé tout à l'heure d'un commissionnaire, mhm. c'est entre service et service. Mhm. Ça veut dire que les individus ne viennent pas au centre Pour, dire qu'ils ont besoin de sang pour leur malade hospitalisé, par exemple à la maternité. S'il y a besoin, c'est au médecin de demander. Mhm. Voilà. Et le médecin n'envoie pas le patient Non il envoie plutôt un agent. Un commissionnaire, ça peut être un manœuvre, une fille de salle ou bien un infirmier, une sage-femme, ainsi de suite. Mhm. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y a un problème de communication. Mais quels sont les autres obstacles Les autres obstacles, et comme euh, Madame Mme Haman l'a dit, mhm. c'est la sensibilisation. Parce mhm. que la majorité étant analphabète, on ne voit pas l'importance du don de sang que quand ça arrive et quand, que quand un parent ou un proche a besoin de ça. Hmm. Et tout ça là, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc il faut sensibiliser régulièrement. La sensibilisation doit continuer. Doit continuer. Hmm. Parce que je veux juste ajouter que, que les gens comprennent que nul n'est à l'abri d'une transfusion. Ça hmm. peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc il ne faut pas penser que c'est l'autre seulement. Moi qui vous parle, un beau jour, ça peut m'arriver. Et si quelqu'un ne donne pas, quelqu'un n'aura pas. Donc euh, voilà en gros. Maintenant, les obstacles sociaux, culturels ou religieux Religieux, non, non. Au contraire, par exemple, euh, la majorité chez nous, c'est des musulmans. Mhm. Et l'islam encourage même à donner du sang parce que qui donne son sang a sauvé des vies. Et la récompense, elle est tellement grande que seul Dieu peut la donner. Mhm. Donc là, vraiment, il n'y a, <laughs> pas d'obstacle. Mhm. Je ne pense pas du moins. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Ramani euh, Magama, communicatrice au Centre national de transfusion sanguine, il a expliqué qu'il n'y a pas d'obstacles euh, sociaux, culturels ou religieux. Est-ce que dans les localités que vous sionnez, la population adhère et que vraiment vous ne constatez aucun de ces obstacles Moi, je dirais qu'il n'y a pas un obstacle qui empêche vraiment de mhm. donner du sang. C'est juste le manque d'informations. Par exemple, quand on se déplace pour aller dans une région, on est obligé de prendre contact avec euh, les leaders coutumiers, les leaders religieux mhm. pour nous aider dans notre tâche. Mhm. Et la plupart du temps, quand ils interviennent, ça marche, on arrive à, à, les donneurs. Et ils adhèrent parfaitement à l'initiative. Mhm. Et ils, ils donnent du sang. L'obstacle, c'est que la communication, vous savez que c'est un travail de longue haleine. On communique mais les résultats ne sont pas immédiats. On sensibilise, nous, nous faisons nos spots euh, à la télé, à la radio. Nous nous, nous, déplaçons aussi pour aller dans les écoles. Hmm. Ils partent dans les écoles pour faire la sensibilisation euh, au niveau des élèves. Hmm. Et la plupart des, des dons, c'est les, étudiants, les élèves, les groupements religieux, les clubs là c'est eux qui, qui, qui, sont les structures qui donnent le plus. Mhm. Maintenant, le 11 juin, nous avons eu à, amener mener une réunion de plaidoyer mhm. au niveau du Grand Hôtel. Mhm. Et cette réunion de plaidoyer a regroupé tous les chefs d'entreprise qui sont à Niamey. Et ça nous a permis de les informer sur le don de sang et ces chefs d'entreprise ont commencé à réagir à nos doléances Mhm. et de, fait, de faire en sorte que au moins leur agent puisse donner du sang au moins trois fois de l'année. Mhm. Donc maintenant, ça arrive. Ça veut dire que la mobilisation des personnes continue. Et comment les banques de sang de l'intérieur du pays se ravitaillent-elles euh, en sang Ça se fait au niveau décentralisé. Mhm. C'est eux, eux, qui font leur collecte, qui traitent et qui, qui distribuent à leur niveau. Le sang n'est pas stocké au niveau du, centre national pour être distribué aux centres régionaux. Mhm. D'abord, c'est un produit, je parle sous le contrôle de M. Lee, mhm. qui est périssable, qui nécessite euh, des moyens de conservation. Mhm. On ne peut pas, par exemple, prendre une glacière contenant du sang ici pour l'amener à Agadez, faire deux jours, trois jours sur la route. Mhm. Donc ça se fait au niveau décentralisé. Donc il y a des dispositions médicales. Qui sont prises, il y a mhm. les appareils. Ils, disposent de tous les moyens pour travailler mhm. chacun dans sa région. Voilà. Mais est-ce qu'il arrive que le sang soit vendu au Niger Ça, pas à notre connaissance. Nous, on ne vend pas on reçoit le sang on prélève gratuitement et on, on sert gratuitement. Mhm. Il y a des groupes WhatsApp, on a constaté par exemple pour les donneurs euh, universels, mhm. là c'est donc le groupe euh, au moins. On a les contacts d'abord, on appelle les, structures quand on a des urgences. Mhm. Il y a les, les, les, FDS qui répondent toujours à notre appel, les étudiants. Il y a beaucoup de structures, les clubs de donneurs qui, répondent à nos appels. Il y a les groupes WhatsApp, il y a nos diffusions de, de spots euh, sur les télés, les radios. Mhm. Il y a la sensibilisation, la, la communication interpersonnelle. Mhm. Le fait d'aller trouver un groupe d'individus pour leur parler du don de sang. Mhm. Et la plupart du temps, quand on mène ces activités, on part avec nos listes, nos dépliants, et on arrive à, à enregistrer des volontaires pour faire le don. Vous avez vu, à l'heure de la journée mondiale, il y a eu plusieurs structures qui ont donné du sang. Mhm. Il y a même les organismes du système des Nations Unies ont fait un don. Mhm. On a fait des tours dans, les différents services pour faire y la compris À la présidente cette année, le, le président de, la République lui-même a participé, mhm. le, président de l'Assemblée. Donc euh, on est en bonne voie pour faire une collecte aussi au niveau de la primature. Mhm. Donc nous avons vraiment beaucoup de perspectives mhm. dans ce sens-là pour montrer à la population que le don de sang-là, c'est un geste vraiment irremplaçable. Mhm. C'est un acte de, de générosité parce qu'il n'y a rien comme médicament qui peut remplacer le sang. Si la personne a besoin du sang, c'est du sang qu'il faut lui mettre. Rien d'autre. Vous avez donc une stratégie de communication que vous envisagez de mettre en œuvre, c'est ça Voilà, à travers notre plan de communication. Et qu'est-ce qui est dit dans le plan de communication Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement comme action On a 11 objectifs dans le plan de communication là et plus de 79 activités. Mhm. Entre autres, je peux dire qu'il y a la réalisation des spots Mhm. il y a la réalisation de slam, mhm. d'un slam qui est, en bonne voie. Mhm. Il y a aussi les sensibilisations que nous allons mener au niveau de la population. Il y a le plaidoyer aussi qui doit être mené auprès des décideurs. Parce que tout ce qui empêche à la sensibilisation de, de, porter les, fruits, c'est le manque de moyens si on arrive à avoir un financement conséquent, on a les moyens, rien n'empêchera de, de, de, mener les activités. D'avoir des résultats. Voilà, des Vous dites par exemple qu'ici encore, vous avez un plan qui est là de communication pour le CNTS qui n'est pas encore financé, c'est ça Qui n'est pas financé. Il vous faut un financement. Oui. Et nous sommes dans les plaidoyers mhm. pour chercher le financement de ce plan de communication. Merci beaucoup, Madame la communicatrice euh, du CNTS. Euh, docteur Fatih un mot pour terminer, un appel à la population dans le cadre de la promotion du don de sang. L'appel que nous lançons, le droit de la population, c'est de faire beaucoup d'efforts pour venir donner du sang, pour pouvoir sauver des vies humaines, mhm. surtout pour les enfants qui souffrent d'anémie et les femmes enceintes. Mhm et les drépanocytaires. Voilà. C'est vraiment un cri de cœur pour ces personnes, les enfants, les femmes enceintes, les drépanocytaires. Euh, toutes ces personnes ont très souvent besoin de sang. Donc, et votre geste peut donc euh, les sauver. C'est ce qu'il faut donc comprendre de cet appel que vous lancez. Donc, euh, Dr Fatih Hassan, médecin généraliste euh, au Centre régional de transfusion sanguine et fidèles auditeurs, c'est la fin de ce forum du studio Kalangu. Merci de l'avoir euh, suivi. Comment améliorer la disponibilité des produits sanguins au Niger est le thème euh, débattu. Nous retenons que le don de sang est un geste euh, qui sauve. Il est important donc de donner du sang pour sauver des vies, selon donc les spécialistes réunis dans ce studio pour ce forum. Un don de sang peut sauver jusqu'à 4 personnes c'est donc euh, un geste très simple à travers lequel vous pouvez sauver beaucoup de personnes. Comment donner de sang Selon ce qui a été dit, c'est donc d'être en parfaite santé, être âgé d'au moins 18 ans jusqu'à 60 ans pour euh, les personnes qui n'ont jamais donné, mais une personne qui est habituée à donner du sang peut donner jusqu'à l'âge de 65 ans. Par rapport donc euh, à la fréquence, euh, un homme peut donner du sang quatre fois par an, donc euh, une fois tous les trois mois. Et pour les femmes, c'est trois fois par an. Le don de sang vous permet donc d'avoir les résultats de votre sang, votre situation sérologique et la manière dont vous vous portez en général. Les spécialistes recommandent donc beaucoup ce geste qui sauve. Des actions de sensibilisation sont en cours. Un plan d'action est élaboré au niveau du Centre national de transfusion sanguine pour pouvoir donc renforcer ces sensibilisations en faveur du don de sang. Vous avez à suivre les explications données à ce sujet. Merci donc de nous avoir euh, suivis. Nos invités étaient Dr euh, Fatih Hassan, médecin généraliste au Centre régional de transfusion sanguine TRTS euh, Niamey. Monsieur Mousseli, représentant de l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger, ADBSN Niger. Il est donc technicien biologiste, ancien responsable du service promotion don de sang au CNTS. Et enfin, Madame Hamani Mariama, elle est la communicatrice du Centre national de transfusion sanguine. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji, à la technique Issa Laoli. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.